Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et avec moi Rabia Mekano pour vous tenir compagnie durant les 60 minutes. Bonjour Rabi. Bonjour Salamatou. Prête pour démarrer l'émission Oui, je suis au taquet. Bien alors, l'édition est assurée par Reila Toussoumana à la technique. Nous avons ce matin Kader Chambiano. Au programme, avant toute chose, il y aura le flash d'information. Notre invité du jour est M. Youssoufou Sadissou Alassane. Il est vétérinaire euh, au Comité international de la Croix-Rouge CICR. Nous parlons environnement dans la rubrique hebdo comme tous les mercredis. Interviendront après le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu, la page sport et de la bande musique nigérienne. Nous allons boucler cette édition avec les messages des auditeurs. Si la technique est prête, c'est parti. Thank you. à tous, tout de suite le flash présenté par Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya, quelles sont les nouvelles Bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Alors fidèles auditeurs, pour le flash d'aujourd'hui, la ministre malienne de l'énergie et de l'eau, Madame Kamara Bintou, en visite de travail au Niger et le ministre nigérien du pétrole, Mohamed Mustafa Barkebako, ont présidé hier une réunion bilatérale. Ont été engagés pour parler d'un contrat de vente de gasoil entre la société Société nigérienne du pétrole SONIDEP et l'Office malien des produits pétroliers OMAP. Le processus d'un accord commercial entre les deux pays, entre les deux sociétés ont été amorcés. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi a présidé hier à Dosso la cérémonie de présentation au drapeau du contingent 2023 des forces armées nigériennes. Cette cérémonie marque la fin de la formation formation militaire de quatre mois d'environ 2000 recrues. Leur formation s'est déroulée du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 au centre d'instruction Agali de Dosso. Enfin, la Confédération africaine de football CAF a publié hier le classement des meilleurs championnats d'Afrique. L'Égypte en tête suivie du Maroc et de l'Algérie. Le championnat du Niger occupe la la 25e place sur les 28 pays classés. Il est devant celui du Zimbabwe, du Burkina Faso et du Bénin. Selon la Confédération, les 12 premiers pays auront 4 clubs dans, la dans les compétitions interclubs de la CAF la saison prochaine si le classement reste le même. C'est tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci. Merci bien, Rukaya. À bientôt. Comme annoncé dans les titres, nous recevons M. Issoufou Sadissou Alassane. Il est vétérinaire au Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Avec nous, nous en saurons plus sur des projets du CICR qui soutiennent les éleveurs dans les zones de conflit au Niger. Restez avec nous pour plus de détails. Mais Rabia, en attendant, faisons l'honneur à la région du jour Maradi avec ce titre de Papayaro bien apprécié dans la région et au-delà. On écoute ça. sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani babba yaro na zo fage da taro. Etuwar min hito, masha Allah, fage na aiki, Allah ke mu bugata. wasa mun ka zo ba mu zo gumi ba mu yi musabaha musa da zumunta ku sha mu je etuwa eh, Allah ke yi ba mutum ba hasada ga mai rabo ashe taki ce masu sammu da karuwa Allah ka ɗaukaka su sakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi haƙuri za ya yi don sa ido sana'a banza mun gudun zomo ba zai kure dawa ba ko nisan gari akwai na gaban shi Allah ya yarda yanzu da mu ake yi a da'a ta uwaye ita ke waraka mu. faɗi garina kaga ina da gata gani ƙofar fadar masarautar katsina mare mawa sultan alzaki baba Allah ya ƙara maka lafiya ya sha zamaninka gani ƙofar fadar masarautar gobir sultan abdu bala marafa sannu baba allah ya kara maka lafiya ya ja ka. ko ka so mu ko ka ki mu sai mun gwada sa'a sa'a hey! Chers auditeurs, dans ce titre, l'artiste chante l'importance du savoir-vivre. Il chante sa résilience face à l'adversité, mais aussi l'amour et le soutien de ses fans. Pour lui, c'est un privilège d'appartenir à la culture du Kassina et du Gobir. Kwando baya da mata, balle matan shi ai masu daka da kwari. Kwando ki kwando, kwando baya da mata, balle matan shi ai masu daka da kwari. Masu daka da kwari, masu daka da kwari. Hey! Ah! Je suis fier d'être Nigérien, moi-même en personne, Papa Joboyaro.

Alors, au Niger, les communautés dans le bassin du lac Tchad, dans la région de Difa, du Liptako-Gourma, dans la région de Tilaberi et le Nord Tawa sont impactées par des conflits armés entre en effet, Rabi, au Niger, plus de 7 millions dagro d'agropasteurs sont directement concernés par l'impact des conséquences du changement climatique et du conflit armé. La plupart des populations vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Les effets du changement climatique assèchent le pâturage et l'insécurité ne facilite pas la transhumance séculaire qui se pratiquait avant. Pour euh, parler de la réponse du CICR en faveur des éleveurs, nous recevons M. Issoufou Sadisou Alassane. Il est vétérinaire au Comité international de la Croix-Rouge à CICR. Bonjour M. Issoufou. Oui, bonjour madame. Alors, pouvez-vous nous parler du programme vétérinaire euh, du CICR au Niger hum, Merci et merci aussi de l'opportunité que vous nous parlez de parler de ce programme de soutien à l'élevage au sein du CICR. Donc le programme euh, vétérinaire du CICR eh, vise à protéger les moyens d'existence des éleveurs et agro-éleveurs, donc euh, surtout dans les zones affectées par le conflit. Vous parlez tantôt de 7 millions d'éleveurs qui sont affectés par euh, les effets du changement climatique, mhm. mais aussi à cela viennent s'ajouter les crises sécuritaires qui vivent nos populations dans certaines régions affectées par les conflits armés. Donc ce programme est axé autour de la sécurité et autour de la santé et de la production animale, mais aussi du renforcement, euh, renforcement de capacités, donc euh, des éleveurs et autres partenaires, et aussi des infrastructures euh, pastorales. Donc, parlant de la santé animale, c'est le cœur de notre programme, donc qui vise à améliorer l'accès aux services vétérinaires, donc aux éleveurs à travers l'organisation des campagnes de vaccination contre les maladies qui freinent vraiment le développement de l'élevage au Niger, mais aussi dans des zones où l'offre de services vétérinaires est insuffisante en raison euh, des faibles effectifs des agents. Donc nous formons des auxiliaires de l'élevage que nous plaçons et qui servent de relais euh, aux agents, en tout cas pour euh, fournir des prestations de santé animale donc, euh, euh, aux éleveurs. Et quelles sont vos zones d'intervention dans le pays et quel type de programme vétérinaire vous déployez pour aider les agropasteurs et donc nos zones d'intervention, comme nous l'avons tantôt dit, le CICR intervient dans des zones de conflit. Donc euh, au Niger, principalement nos zones d'intervention sont la région de Tilaberi et la région de Tawa et la région de Difa. Donc le programme que nous déroulons, euh, je peux vous parler de la campagne de vaccination. Donc, mhm. c'est vraiment une campagne de vaccination de masse. Et le CICR e vient en appui euh, à l'État. Donc, chaque année, l'État organise cette campagne de vaccination dirigée contre trois principales maladies. Donc, euh, la peste des petits ruminants, la PPCB et la peste des camélins, donc pour les chameaux. Donc nous venons en appui à l'État à travers euh, un soutien financier, à travers euh, un renforcement des capacités, un soutien logistique, un soutien communicationnel. Donc à travers cela, nous faisons des sensibilisations aux éleveurs pour adopter vraiment la euh, vaccination et à travers aussi des radios nous faisons des mobilisations des éleveurs, en tout cas pour qu'ils euh, puissent amener leurs animaux à la vaccination. Et je parlais tantôt des auxiliaires de levage. je parlais tantôt des auxiliaires de levage. Aussi, nous formons des auxiliaires de levage. Donc, euh, que nous amenons à l'école de surveillance de marrage pour formation. Et après, nous leur donnons des kits, donc composés des matériels et des produits vétérinaires. Donc, ils sont au sein de la communauté. Ils sont plus proches de la communauté et ils, font le service donc de proximité et aux éleveurs. D'accord. <clears throat> Comment travaillez-vous pour mieux connaître les besoins des communautés dans les zones où vous intervenez avec la rareté de fourrage doublée des conséquences du changement climatique donc, pour euh, pouvoir en tout cas identifier nos zones d'intervention, d'abord nous travaillons euh, de façon courante et à suivre l'évolution de la, la, situation sanitaire et pastorale donc euh, dans nos zones d'intervention. Donc pour cela, nous travaillons avec euh, les services techniques euh, de l'élevage ou les services privés ou les associations des éleveurs. Donc et qui sont en tout cas au cœur euh, au sein de la communauté, Ils nous alertent des certains chocs qui peuvent arriver. Donc et à nous de prendre les dispositions. Deuxièmement, nous travaillons aussi en collaboration avec euh, la Croix-Rouge nigérienne qui est aussi l'un de nos partenaires privilégiés, qui est bien ancré au sein des communautés. Et la Croix-Rouge nigérienne remonte en tout cas les besoins de la communauté. Et avec la communauté elle-même, comme nos activités en tout cas sont centrées sur euh, les bénéficiaires, donc les bénéficiaires peuvent directement nous contacter, soit à travers le téléphone, soit euh, directement en présentiel ou bien au sein du CICR, nous avons le centre de contact communautaire, donc un numéro vert qu'ils peuvent appeler. Donc ils peuvent appeler, exprimer leurs besoins. Et maintenant, en concertation avec les services techniques et nos équipes sur le terrain, donc nous faisons des évaluations pour vraiment apporter une euh, réponse adéquate et appropriée aux besoins qui a été effectué par ces Est-ce qu'on peut avoir le numéro vert euh, ici sur l'émission Oui, si je peux le dire, le numéro vert c'est le 5665. Donc euh, c'est disponible de 8h à 17h30 et l'appel est gratuit. Voilà, Monsieur Issoufou, merci pour ces éclaircissements. Nous poursuivrons nos échanges sur les perspectives du CICR pour les éleveurs et agropasseurs impactés par les effets du changement climatique et des conflits armés. Mais avant cela, cap sur le grand désert de l'Aïr avec ses sonorités du Tendé, revisitées par les charmantes filles d'Illegra. profils aux guitares sont Fatou Seydi Agali, Alamnou Akirwini Nasir et Fatimata al et Abdoulaye Madassan à la guitare rythmique. Ils sont tous originaires du village de Illerdat au nord-est entre Tawa et Agadez. Leur composition associe le blues, le folk et les musiques traditionnelles elles font leur petit bout de chemin et se produisent sur des scènes européennes, américaines, ainsi que des festivals comme le Printemps de Bourges en France ou encore le Festival islamique de Mertola au Portugal. النفاقان تدالت ذوالد مراسلين النفاقان auditeurs, après cette balade musicale sur les dunes du désert, passons à la deuxième partie de notre entretien. Nous sommes ce matin avec Monsieur Issoufou Sadissou Alassane du Comité international de la Croix-Rouge. Dans le Sahel en général et au Niger en particulier, les éleveurs ont coutume de parcourir de plus longues distances avec leurs troupeaux à la recherche du pâtirage. Aujourd'hui, en raison de l'insécurité, les transhumances sont devenues de plus en plus difficiles. Le bétail et les moyens de subsistance sont un risque. Dans cette deuxième partie, Monsieur Issoufou Sadissou Alassane vétérinaire au Comité international de la Croix-Rouge CICR va nous apporter quelques précisions. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous avez eu à faire en fait et en chiffres au profit des communautés en 2023 en matière de programme vétérinaire au Niger oui, en matière de programme vétérinaire au Niger en 2023, donc euh, vous le disiez tantôt, l'insuffisance des fourrages. Donc nous avons eu à apporter un soutien aux éleveurs donc à travers des distributions d'aliments bétail. Et en 2023, c'est environ 160 tonnes d'aliments bétail que nous avons aidé à distribuer, donc soit directement aux éleveurs ou à travers des banques aliments bétail. En termes de santé animale, donc euh, la vaccination, nous avons eu à l'État à la vaccination de plus de 2 millions 600 têtes de bétail et appartenant à plus de 564 000 euh, personnes et dans le sens de toujours pour la santé, donc les auxiliaires de levage, à peu près 87 euh, auxiliaires de levage ont reçu des kits et des produits et matériels vétérinaires, donc euh, pour servir euh, pour prester des, leur communauté. Nous avons encore formé 12 auxiliaires de levage donc, qui sont sortis de formation aussi, qui avaient reçu leur kit en tout cas aussi pour pouvoir euh, mener à bien leurs activités. Et on parlait tantôt de fourrage, mais aussi le fourrage pour l'élevage, il faut aussi avoir l'eau. Donc dans ce sens, nous appuyons aussi l'État à identifier des zones où on a besoin de points d'eau donc nous aidons à réaliser ces points d'eau, en tout cas pour permettre euh, de resserrer le maillage et que chacun au cours de ses parcours puisse trouver de l'eau et, de l'eau à boire, à abréver les animaux, mais aussi les parcs de vaccination. Donc, qui dit parc de vaccination, avec les millions de têtes que nous aidons à vacciner, nous avons besoin des infrastructures pour bien contentionner et, pour bien contentionner et vacciner les animaux. Nous avons travaillé également avec euh, sur une approche que nous appelons approche une seule santé, où nous travaillons en collaboration avec euh, la santé humaine, avec l'environnement et nous-mêmes de la santé animale. Et sur ce concept, donc, euh, et à sensibiliser les, la population. Cette année, nous avons travaillé sur la rage, la connaissance de la rage, mais aussi nous avons renforcé la capacité de 60 agents de ces différentes, de ces, de ces trois ministères donc, euh, ce qui est vraiment a eu aussi un impact euh, très euh, important. Donc, je disais tantôt, les infrastructures, donc nous avons eu à faire quatre parcs de vaccination, quatre puits en tout cas au niveau de nos zones d'intervention. Voilà, quelles sont les perspectives en 2024 pour le CICR en termes d'activité dans le domaine d'appui à l'élevage au Niger pour nos perspectives de 2024, donc euh, nous d'abord nous avons reconduit tout ce que nous avons fait en 2023 et nous comptons aller au-delà. Donc en termes de campagne de vaccination, donc c'est environ 2 millions 800 têtes que nous ciblons. Donc aujourd'hui, déjà la campagne de vaccination a commencé et nous sommes déjà à près de 84% de cette cible et aussi déparasiter plus de 800, et 800 000 têtes d'animaux, donc toujours dans le cadre de la campagne de vaccination. Nous avons aussi reconduit euh, l'appui à l'alimentation de bétail. Donc, et nous comptons en tout cas toucher euh, plus de 5000 euh, ménages donc à travers les distributions d'aliments bétail. Voilà, donc aussi en termes d'infrastructure, donc aussi nous avons, nous comptons et ou bien nous comptons réaliser des puits pastoraux. Donc quatre ont été prévus pour cette année ainsi que des parcs de vaccination. Donc, aussi nous avons en tout cas des femmes que nous appuyons, des groupements de transformation de lait. Donc aussi nous sommes sur ce projet pour les aider à améliorer leurs revenus. Voilà, merci beaucoup Monsieur Issoufou Sadissou d'avoir accepté notre invitation. Excellente journée à vous. Ok, merci Madame. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 22 minutes, chers auditeurs. Il est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement. Le contrat de fumure entre production agricole et éleveur est notre sujet d'aujourd'hui. Vous vous demandez probablement de quoi il s'agit. Et eh bien sûr, celles qui ont vécu au village doivent en savoir quelque chose. En effet, au Niger, c'est l'une des méthodes utilisées pour fertiliser le sol. En tout cas, du temps de nos parents, cette pratique a des avantages pour les deux parties. Cependant, cette pratique a pris du recul au fil du temps. Asumana China s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Sanya makiyaya cikin gonaki da dabbobinsu al'ada ce da manoma musamman na karkara ke yi tun shekaru da dama da suka gabata a kasar Nijar. Ta hanyar wani al'ada kashi da hitsarin dabbobi na karfafa kasar noma lamarin da ke inganta amfanin gona. Na fi Imamman Musa ya tabbatar da haka. inda ka je ka sa buhu biyu na taki inda makiyaya ta uku wurin sai ka ga bambanci. Wurin da ake yin dame hamsin kana iya samun dame ɗari da hamsin ɗari biyu kaga kuma abinci mai kyau. Kuma mu noman ma inda yake ake ƙara samun ci gaba in abu biyar ka sadu komi sai ya tabbata gone Musa hatsi musa dawa Musa wake ga ya kuwa ciki hajjada a sati kuma amadu sai sun kai inda wannan takin ne na gargajiya ka gani alhamdulillah daga nasu bangare makiyaya sun bayyana cewa wannan al'ada na bunƙasa yawa da ingancin cawar dabbobi yayin da hakan ke sa dabbobin su kyaye da kyau a yankunan da ake noma da kiwo wannan al'ada na kuma ba da damar kulla alakar zamantakewa mai kyau tsakanin makiyaya da manoma harro ma'azu makiyayi ne manoma suke zuwa su tarbe mu da hannu biyu suke nuna mana ga yanda suke so mu yi zamantakewa tsakaninmu da mu da su amma sakamakon kwanan ba babu wani jituwa tsakanin juna kowa wanga yana an yi daurin dawa sai a yanzu a ƙarshe suke nuna mana abin da ya samu ke jan hankalinku makiyaya in kuka safka a cikin gonakanmu za ku yi mana taki mu kuma bakin gwargwado abin da Allah ya sauke mana za mu kama muku da shi wannan hulɗe da muka azata yau an wayi gari duk abin da za a yi sabga za a yi a gidan manoma tare da mu. Kawo yau manoma na amfani da takin zamani ne a gargajiyance. Kwararru na ba da shawarar a gudanar da bincike da zumar inganta wannan al'ada. Sani Illo kwararre ne na zauren shawara na manoma a jihar Maradi. Il y a qu'il faut prendre en compte. ya y a le nombre d'animaux, ya y a l'espèce qu'il faut étudier, la déjection des chameaux, celle des brebis, celle des chèvres. Est-ce que c'est la même chose sur les degrés de fertilité? y nombre, il y a la durée de séjour au niveau des chats. Là, c'est un autre paramètre. Donc là, ici, la recherche doit intervenir. Duba da amfani mai yawa da al'adar sauke makiyaya cikin gonaki ke da shi, manoma da makiyayan baki daya su amince da adawamar da ita. Merci Asumana China pour ces informations. Alors, chers auditeurs, plus d'ambiance, plus de groove avec le titre Qui de Mamarcassé, c'est pour vous. une jeune mariée qui le félicite pour son mariage et à qui il demande de faire tout ce qu'il faut pour préserver son foyer. En fait, Kisei, c'est un diminutif du nom Balkissa. mati zangai kansu bai mane mati kanga bai mane ngendu ngendu un titre que nous dédicassons, euh, que nous dédions à toutes les Balkissa qui nous écoutent sur cette émission. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez rien raté parce que vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site www.studiocalangu.org. À présent, direction Mayaï, région de Maradi, pour l'écho des régions. Là-bas, beaucoup de jeunes se sont structurés en organisation en vue de contribuer au développement de leur communauté. Eh oui, notre correspondant Issoufou Cheibou est allé à la rencontre d'un représentant des jeunes qui intervient dans l'aide sociale. Quelles sont leurs activités Réponse dans ce reportage. Matasa sune kashin gabonko bayan ci gaban kowace ƙasa, domin su ne majiya ƙarfi wa'anda suna iya kawo tasu gudunmawa wajen bunƙasa rayuwar al'umma. Shi yasa matasan matasa wannan don cika wasu alƙawalla da suka ɗauka daga wajen wa'ansu ƙungiyoyi ko kuma wa'anda suka ɗauka da kansu. Sunana Abdulkadir Loli, ni ina jagorancin ƙungiya ta AGDM wanda ni na kawata ina sekretariya kuma na gangami na ƙungiya guda goma sha bakwai. Ƙungiya ta dai ta kafi ne tun dubu biyu da ashirin ina ga. Gaskiya tunda na yi aiki ne tare da ong ong da yawa tun shekara ta goma sha 2014 na wata da samun experience da da sauransu na yi aiki da ong da yawa na gano duka abubuwan ga yadda suke tahiya ga yadda suke tahiya ga yadda suke tahiya mawarin na wajin jin za shi in kirkiro in samu nima in yi kungiya ta wata kai kaina. Matasa suna kasancewa a cikin kungiya bayan nan suna yin haɗaɗɗiyar uwa kungiyoyi don ƙara ƙarfi don cika alƙawari da kuma cimma guri. Idan aka ce ana so a yi tafiya ta ci gaba dole sai an yi haɗa kai. Haɗa kai yankin nan ba za a samuwa ba dole sai an samun gungu-gungu. a rinka samun haɗin kai su kaɗai tana yawa wata abubuwa za su rinka mata wahala na gabatar da ayyukanta me amma sai aka zo aka nemi husa'o'i da a samu yadda za a yi a gangama ƙungiyoyin nan su samu makafi guda a tattara su wuri guda eh, to ba mu samu yin wannan ba an sai ga fila international ta zo avec le projet black free wannan da ake cewa eh, muka samu dama ta zo ta yi mummu wannan rezo aka yi da formation aka yi mini wanda har ga yanzu muna nan ga aiki tare da su kuma masha Allahu an ware ganin sauyi tun a yanzu. Don cimma gurin sai ya zama to an shimfiɗa tsarin aiki wanda lokaci zuwa lokaci ana yin su. A cikin aikin akwai wayar da kan abokansu matasa da sauransu. To yanzu dai na farko dai wanga aiki a dawo dai akwai nauyi da muka ɗauka. An kashe wanda muka ɗauka kuma an ware ganin shi. ta hanyar engagement da muka ɗauka namu na kankanmu muna haɗa haɗa wa'ansu 'yan abubuwa hakan ga muna shara yanzu ku ji bayan example lokacin da muka ta yi wajen kamfani ta sensibilisation kan tsafta ta wajen al'ada ta ɗiya mata da kuma karatun ɗiya mata kun gano nan duk cikin ayyukanmu ne. A wannan lokaci da muke ciki matasa sai kun tashi tsaye-tsayen daka don bunƙasa rayuwarku da ta al'umma. yan haka sai matasa sun kasance a cikin ƙungiyoyin taimakon kai da kai C'était le reportage en région signé Issoufou Cheibou, big up à nos auditeurs de la radio en de Mayaï. À présent, c'est l'heure du sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Bonjour Adam, nous débutons cette page e-sport par quelques résultats de la 20e journée de la Super League du Niger. Eh bien oui, en effet, deux matchs se sont joués hier pour le compte de cette 20e journée. D'abord à Niamey, où l'Union sportive de la gendarmerie nationale s'est imposée face à l'Espoir FC de Zender au stade municipal de Niamey. Ensuite, à Maradi, où le Jean Gorzo a fait un match nul, un but partout face à la Renaissance de Bukoki. Adam, quelle est la suite des rencontres de cette 20e journée eh bien, en région, ce soir, le JST sera opposé aux Zumunta AC à 16h15 au stade régional d'Ottawa. À Niamey, il y aura le choc AS Police, AS Douane à 16h au stade général Et Le dernier match de cette journée mettra aux prises Liberté Football Club de Niamey contre le leader du championnat, AS Fan, qui reste sur une défaite lors de la 19e journée. Ah, pour finir, prenons la direction de la capitale mauritanienne pour parler du championnat scolaire africain de la CAFA. Et oui, en effet, Nouakchott a abrité la deuxième édition du championnat scolaire de football du 1er mars au 3 mars dernier. Cinq nations ont participé aux qualifications de la zone IFOA A, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Chez les garçons, le Sénégal a été sacré champion dans la catégorie de moins de 15 ans. Et du côté des filles, ce sont les Gambiennes qui se sont emparées du titre. Le Sénégal et la Gambie représenteront la région lors de la phase finale de cette compétition. Pour rappel, chers auditeurs, la CAF n'a toujours pas encore donné le calendrier de cette compétition. Eh bien, c'est la fin de cette euh, chronique sport. À demain pour un autre numéro. Merci bien, Adam. À bientôt. On se reprend juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, à présent, notre portrait du jour à l'instar des villes, des autres villes et pays développés dans la production des films et séries, Matame commence à intégrer le monde du septième art grâce à un jeune du nom de Aminu Husseini, Âgé de 28 ans, Aminu a créé sa propre maison de production dénommée Nagarta Film Production. Il a à son actif trois films et compte bien se frayer une place dans l'industrie cinématographique au Niger à travers ses œuvres. Le jeune véhicule tout simplement des messages sur des sujets qui touchent ses pairs. Abou Sarki est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Sunana Aminu Usaini, shugaban kamfanin Nagarta Film Protection Mata Mai, kuma shekaru na 28. Mhm. Abin da ya bani sha'awar kafa wannan kamfani shine ganin yadda ake bukatar wayar da kai musamman abubuwan da ya shafi cin zarafin mata da kananan yara da wasu sakonni da ake so a isar daga al'umma ko ƙungiyoyi masu zaman kansu zuwa ga mutanen karkara to amma hanyoyin da za a bi a kai sakonnin yana da wuyar gaske wannan dalilin ya sa muka bullo da wannan hanya ta yin fina-finai muke sa irin waɗannan matsalolin da ake fuskanta a cikin fina-finan namu. to ya kuke da 'yan matan musamman ma wajen amincewa uwayensu. to ka'idan mu shine duk yarinyar da za ta shiga fim he ya zamo shekarunta sun kai daga sha takwas abin da ya sama kuma macen da za ta shiga he da sa hannun iyayenta to yanzu kaman wata nasarori kaga ka samu a game da wannan harkar ta fim alhamdulillah nasarorin da muka samu yanzu mun yi fina-finai guda uku akwai alkawarin riga shi wannan fim ne yadda ake wa yara auren gaggawa da kuma auren dole Eh, shi fim ne da muka je muka yi a ƙauye sannan kuma akwai fim da muka yi ruwan zama fim ce ta soyayya sai kuma wannan sharin ɗan garuwa ita ma fim ce da yadda ake yi wa yara fyaɗe da sauransu musamman da kuma illa tallace-tallace to alhamdulillah daga cikin nasarorin da muka samu mun fitar da wannan fina-finai kuma alhamdulillah yanzu sun karɓa a hannun mutane mutane suna ta kiran mu daga gwaruruwa da gurare daban-daban suna cewa za su shiga wannan harka ta fim kuma an matsa ma sati yayi aje a tura tunda sai ce muke mm. yanzu kamar kuna dora a youtube akwai kaman yawan adadin mutane da kaga sun kalla e yanzu alhamdulillah akwai eh, sharrin dan garuwa wacce na dora a youtube channel amina zeran tv da na dora ta ma cikin sati guda wajen mutum 400 suka kalla kenan wannan ma nasara ce ana bibiya ta akai akai ya akai haka kaga wannan wuri baka fuskanci wasu matsaloli baka kin ka fara ganin ko an fara cin nasara gaskiya na fuskanci matsaloli na farko shine rashin haɗin kan al'umma mutane suna wa kallon harkar fim kamar harka ce ta banza sannan kuma su kansu 'yan tiyatar da muke aiki da su muna samun kalubale kenan amma cikin ikon allah yanzu komai ya daidaita yanzu gaskiya babban kalubalen mu shine kayan aiki na zamani tunda yanzu wanda suke mana aiki haya ce muke ɗauko su mu biya su kuɗi da wanda suke mana montage da waye to amma da allah ya sa akwai mun samu kayan aiki ko tallafi daga magabata ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu to kenan zai zama to aikin da muke zai zama ka'in da na'in ya dawwama Chers auditeurs, bouclons notre playlist avec le titre Chimi de l'artiste Burema Disco. être timide mon discours qui annonce euh, le loti du Desk Femme du studio Kalango. Le loti du Desk Femme du studio Kalango parle de la préférence de certains parents du sexe de l'enfant à naître. Il n'est pas rare ici au Niger de constater que des maris imputent la responsabilité à leurs épouses de ne donner naissance qu'à des filles et pourtant c'est scientifiquement prouvé que tout émane de l'homme. Information que beaucoup de couples ignorent jusqu'à présent, Rekia Arimi et Samira Rouafi nous édifient. Lotsi, lotsi, lotsi, lotsi, lotsi, Barka madam. barka madam zuwai gurnaran gaji zuwai gurnaran gaji zuwai gurnaran gaji hamsa hamsa ni sigi mano hai hamsa he hmm. malhana ise kiro ai gode la sabu kuku foyen rano la sabu koi ne wani wasu bogni ga hamba no sifa masidin yankan gunda no goniga ni hima ga moga haikulkan ga hingin bin saga ifo mbuno gogin bin saga ya cinowo hmm. ni di son dai loktor kwara kayan tanoya akwai gite ecography loktora anaisi kan izo ibarai zanai gudu a ah, masha Allah wani wa gwamni nome irkwai beri izo ibarai su kwai ne irkwai beri wallahi aiki kyora aigocin gocin sin gafa matakan cinno ai binora ai gaba imine hunkuna ai gwanda wai borai zai amman kai to ifo dai no gogin bina sarya cinu wal mako ni ne sin da bani hmm. ni bai kan hadde aina gundowahay izuwai bartaken tanoya kwaine ai kurinya mogoga batuno aimdu iza alboraisi son ai sibabai matukan ai kwai sannogo kiyasida sanne kulka gani gwai siga faham da hai kulnu ha <laughs> ni bai ai fuko yo manne kala hadda ni aina wai boraiza hai hinowo kwaine kula ga taise wacce wadin ma ga asinu dai turi kanga safar kan gai manhan yadin mono ai wani beru fona ya marda kan igihin ga sai baban di kanga du iza alborize amma ni di hankan irkoite hey ni ga bani min bonu wi nin nin ko ciya kun nome <laughs> haba haba ni lakkal kanan di irkoise ha nan me he ni sibori ko ni wani agihin ga kan de masala ni wani gundawo bo ha kwene dinga ba emci ni sai haifo ni kunye sanni yan dai na ga gite daman a gwandin ga niyya kan ga wanda fosan bu ifo no ni ba gane da niyya hagino kan loktar be gane la sabu te yabo kwene ga banin faham da haifo alborano ga te sabili kan ga nan wai boga du izi wai boraize wal iza alboraize ya dinga musu bani lakkal tunandi hayai wodu mi maga nima duba fo gona ki gidi da tali ingano mantinin wala choro ome ga ni ci kwai ne da albog non walwai bogaize bok su bon kanga te iza albarkante ay gisalan ni kunyi se tinai no ase amin lakkalai kanandi hayai wodimi bon walmo bogai kan so bai salan gane wai bogano gonda tali dadu wai bogaize walmo dadu alboraize bobo pironigi cim dimbai matukan ana alboraize duyan dan ingi binara wadin no goganan bumbo inda wani gora goga sandi girbi bandayo wai boraize wala alboraisi ayya ikula fo aido ai barai mancin da yana fayanka fayanka da ira madalla wani ingnoti haira gwai ne sonni lakal kanan da hawo kai mutu haya <laughs> kulga bisinima isabu ce koyo <laughs> irkon tai hannu Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français et en zarma. Et ça sera avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Bonjour Moussa. Alors, qu'as-tu à nous dire sur le mot de la semaine euh, Le mot de la semaine, c'est effectivement la radio que nous allons aborder en zarma. Parce qu'en mhm. français, bon, ça a été déjà expliqué. Radio La France qui ne calme Kan bas. kan ansare na te zama goji na kan zamano ansare ite kabore no dama imdu ya kan ganan jama imdu labari sai ngano ina raje wote nya fi azulma tarana kai fogo te kulu zara rajo feri ni gamara labari banda raje dir rasijiri yangon kai ikite bore la kale cendiyan bore no bere bore cewandiyan demo dunya misi cindo arzana ifon da yidi me ame raje bon boregi ni kudwa silman kaina ga hamba ni yi hare boregi du yamariyan dunya gora bon la bisareti mante farmu kura demo haye habora matkan alwato kar cinari go boregi bangai bank kan kita habora udi ku raje bon igduwai aseno rajo din a hangan yango agonda da fu beri na da zai i wane domi ba funara radio ga buragi ni kudu labari yan kan gannan am hini kida bari yan sokon ungu ba funa fondara wat kan misiyan gonu gite silman kaina dine dori fo ciya balawu kan ga diksa ganda fora raja din hangani ngora poragi ni bai matano ngi bon sokon da zama raja ra agbai manga meno doro din go matano doro din ciya da matana ga tege boddi matano ga tege wara da kan bere kone igi ci raje da raja dinga raje a nan boram bai su kudin kan gite inga ba funara rajo kalmai zo dimmo irgu don ga sambu kane rajo filana sanda rajo kalangu rajo amfani rajo erem acine radio fo karai ga albahare nodin amma wani gine rajo kan manti raja bumbo kan goni kan bara kan diga hangan zamani da bare da zamani bera a kandunmu songo ni wani kamar su sorbon bumbu nigi nigira jo hangal kudu labari kun kanci ne ni gaba ya dinno da taro bommo internet eh, facebook da nonga me ame bolgin kudu labari din radio misaibo ya din ga hokari ni ga shi wani sai no wasu wasu bon labari bon ne wo si do kalongu da taro bon ni kirke anan gin te www studio kalongu.org ay kul kan wote kalongu bon aran ga gannoti Ok. Merci. 8 mars 2024. Journée internationale des droits de la femme. Semaine spéciale sur Studio Kalango. Investir en faveur des femmes. Accélérer les rythmes. Nous ouvrons nos micros aux hommes et aux femmes concernées Du 4 au 10 mars, suivez nos forums à partir de 18h15 minutes. Investir en faveur des femmes. Accélérer le rythme. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter les messages d'auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana ahmad assala ina garin ciro shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio kalangu akwai labaransu wanda suke wannan ina jin daɗin su sosai da kuma na fada wannan da ake yana ƙayatar da ni ina jin daɗin su a babu gyara cikin abubuwan su ina musu ƙarfin guwa allah taimaka musu su ci gaba da aikin su muna shuraren su gaskiya muna jin daɗin labaran in bin ji labaran su ban ma jin daɗi sunana jana ina sauraron studio kalangu garin ciro Zero shirin mata wanda suke yi ranar Talata da shirin su na matasa Samji da Dimash yana kayatar da ni muna jin daɗin haka ina jinjina musu. Omar Awais a Ciro shirin Studio Kalango yana kayatar da ni sosai. surtout les Samedi inda ake Akci da wannan ga shirin da kuke yi na Message Zoditar shi ma yana kayatar da mutum dan kana nan Ciro sai ka ji murya ka hanya kenan kowa ya san da Ciro tana existe. Lokaci Hamad Sanda Kolbu waati kulu i garajo kalangu hangan zadei onzer wano riga hangan da lasar gurgu wani wani ga hangar wata kuli irgo gini hangar sigira go kani se chotara jabu wani irgo gini hangar diwon kundi gudura jo kalanguo am am kai dai ingi bonga sak irgo ga hangar se dum salmada da ma sire sigira ka go gete wallahi a kani se gum gum gumo gi bonga iye kwara gi lakale iye kwara ir sabura jo kalanguse gum gum gum wona eh, sunana rabi Umale landa stylist uh, modelist cikin jihar tawa studio kalangu ina sauraren shi kwarai kuma abubuwan abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai saboda kaga suna iya yi maka abinda da kuɗin kama baka ibe a yi maka shi tunda kaga na ɗai sun taɓa zauwa ta rana sun ka ɗauke ni biskan aiki na sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin to wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a yi maka shi ba za ka iya biya ba kaga ni wannan abin birama yana da amfani kwarai bisa ga abin da suke nan suna yi duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana saboda wata rana ina ma kallon shi na ga wasu mutane an gwade su biskan wasu aika wanda suke yi kaga wannan ibadan dalilin studio kalangu ba ba za mu iya ganin su ba kuma ba za mu iya sani an suna wannan aiki ba Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabia Maikano et moi-même Salamatou Kadri que vous retrouvez pour le journal Anjarma de 17h. La technique était assurée par Kader Chambiano et Rahila Toussoumana était à l'édition. N'oubliez pas de rester branché à 17h pour suivre nos journaux en cinq langues. Excellente journée à vous. On vous laisse en bonne compagnie avec le titre Yeti d'Abel Zamani. ikul makonda iru obasi iru obasi irgere ganote iru obasi iru ganote